def pour mën a am plus d' audience audience boobu it buñ ko amee nan lañ ko mën a jaayee soit mu nekk sur Google wala mu nekk sur les réseaux sociaux maintenant du yam kase si ay panel pour expliquer mais dina am euh, plateforme yu diffuser ay cour selon questions yi aussi euh, artistes yi ni ñuy duggee si panel bi question yi ñuy posé ak cours yi nan lañ koy mën a mën a orienté cours yi nañ ñu ngi koy commencé plateforme bi aussi nañ ko lancé au-delà de, du plateforme de e-learning nous avons préparé une plateforme de distribution gratuite tout ce qui est répertoire musique du Sénégal de 1960 à nos jours nous avons numéralisé numéraliser ko plateforme nous on essaie de s'approcher de la BSDA le ministre de la culture ak Yenen pôles yi secteur pour nous appuyer. C'est en cours. Là, là, par exemple, plateforme l'a développée développer euh, comme on a dit, on a prévu de recueillir autant de données comme les Maronois 5 panel B. Je trouve anormal, personnellement, étant publicitaire euh, qui a évolué sur le digital plus de 10 ans, je trouve anormal que des plateformes externes comme Google, comme YouTube ou comme euh, Deezer, en plus de données sur Musique Sénégal que l'État du Sénégal. Parce que le Sénégal existe sur le domaine terrestre comme ça, mais sur le domaine numérique, sur le domaine digital, le Sénégal n'existe pas. Nos références, nos termes de... Euh, nos balises, là le Sénégal dit sur le digital. y y une infraction yi nga a beaucoup de personnes qui mais sur le digital parce que ce n'est pas balisé actuellement peut-être le premier pas là, mais nous dem nous non, tout de suite là mais arme bi comprendre le digital ñëpp mën utiliser cette plateforme c'est plein potentiel hein.